mes chers compatriotes, pour vous faire rire, nous avons sollicité une fois de plus le timide de Araka Comedy Club pour l'artiste s'exprime. Ça va Ouais, ça va. voilà. Oh ben, ça va. Parce que tu as commencé en 2019. Ouais. On va parler un peu de tout ce que tu as eu à faire comme prestation. Ouais la partie théâtrale. Parlons un peu de l'humour. Parlons un peu de ce que tu as comme contenu. Parlons un peu de tes tableaux. Euh, alors, comme euh, a dit euh, pour les locaux, euh, Haraka Comedy Club, on se produit chaque mois. Mm. Donc, pratiquement, moi, du, décembre 2019 à aujourd'hui, uh-huh. si Covid n'était pas venu, en tout cas, on <laughs> allait faire tous les mois. Quoi. Voilà, bon. Voilà le tableau, j'ai aussi été à Lomé, c'est la case du passage. <laughs> Deux fois. <laughs> deux fois, le... Deux fois. Pour te faire euh, former. La première fois. Former comme euh, de l'eau. Euh, la première fois. tu vois, j'étais à Lomé. j'ai réalisé l'un de mes plus gros rêves, quoi. Tu vois, un peu, genre, faire partie de ces rares Nigériens-là qui verront la mer. Mhm. Va arriver, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller vraiment à la plage, quoi. Voilà, du coup. Donc, après la formation, après mai, euh, j'ai été au Burkina. Euh, j'ai joué à Koudougou et puis à Ouaga sur le spectacle de Agalawal. Agalawal, au Burkina. Ouais. Super. En tout cas, bravo à ces jeunes, hein, parce que quand il avait commencé, ben, écoutez, nous on était là au début, et là, quand on voit un peu le public qu'il a fidélisé, euh, n'est-ce pas Là, là, là, c'est ouf, en fait. En tout cas, bravo à toi. L'instant est solennel. Le timide s'exprime tout de suite. Et Bon, sincèrement, j'ai une page Facebook. Dieu merci, j'ai vraiment atteint le plafond des abonnés. 502 mhm. abonnés. 502 abonnés Oui. Sur ta page Oui. Et la page, c'est quoi Maman le timide. Euh, euh, euh, bah, je pense qu'on voit vraiment. les jeunes qui regardent cette émission présentement, ceux qui nous suivent, tapez Maman le timide, s'il vous plaît. Ben, allez-y, likez la page, partagez pour qu'il puisse avoir une visibilité. 512 abonnés. avant aussi. Euh, vraiment. <laughs> J'ai ouvert Tok là. C'est pas Tok, on dit TikTok. Ok. c'est qu'il a dit là. Tu as ouvert ça. Voilà. Ok. Et euh, ça, c'est quoi Le timide 85. Le timide 85, ça veut dire qu'il y a 84 timides qui sont déjà sur TikTok. <laughs> tu le 85e timide. Elle m'a proposé et puis j'ai accepté un mot à l'endroit des jeunes, un mot à l'endroit des, bonnes volontés, un mot à l'endroit de tout ce qui reste cette émission pour qu'ils puissent vous soutenir Ouais, euh, en tout cas, euh, je lance un appel. Oh Parfait. Euh, vraiment, l'humour au Niger, ou bien si je peux le dire, la culture a besoin d'accompagnement. Parce que on a toujours tendance à regarder les autres parce que on se dit, il n'y a pas le produit ici, il n'y a pas la matière. Oh, je vous jure, ici au Niger, il y a de la bonne matière. Il suffisait juste de donner le coup de pouce et ça va le faire, Inch'Allah. Ça va le faire, ça le fera. Inch'Allah. Nous allons donc à partir de cet instant euh, fraterniser, travailler pour pouvoir progresser dans l'humour. Mais des Niger, c'était Dandy, la machine, c'était le timide.